le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, l'actualité, à savoir le tout nouveau gouvernement de la deuxième mandature du président de la République, Issoufou Mahamadou, et la récente euh, nomination hier euh, du président du MNJD Nassara au poste de haut représentant du président de la République. Il sera également question de la campagne nationale de mobilisation de fonds pour la construction d'un mémorial à l'honneur de l'ancien président président burkinabé Thomas Sankara, assassiné il y a 29 ans. Voilà donc euh, l'essentiel pour le menu de ce forum euh, de ce vendredi 21 octobre 2016. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a signé hier un décret portant nomination de Seyni Oumarou, président du MNJD Nassara, nouvel allié de la majorité au pouvoir représentant du président de la République. Ce poste est créé euh, pour la première fois au Niger. Pour en savoir un peu plus, euh, Tarnan Foudé Ahmed a joint au téléphone Maître Amadou Adamou Bachirou. Il est doctorant en droit public à l'Université de Toulon en France. On l'écoute tous les Nigériens, en fait, euh, ont découvert en même temps la création de ce poste. Parce qu'en fait, c'est un poste, euh, sinon qui est euh, dans les institutions même euh, de la République. Ce n'est pas un organe constitutionnel ou même un pouvoir public tel que prévu par la Constitution du Niger. Et évidemment, un poste qui a été créé pour satisfaire à un besoin politique. Aujourd'hui, l'alliance msd Nassara PNDS devait justement aboutir à une certaine satisfaction certains euh, des leaders de ce parti. Et donc c'est dans cette logique qui euh, qu'il y a eu un poste euh, de CGA qui a été créé. Mais la difficulté à ce niveau à saisir l'utilité, l'opportunité ou même le besoin de ce poste, c'est de savoir en quel cas haut temps pourrait être utile. Je crois qu'il faut le dire. Actuellement, on le voit, il y a la Guinée aussi, je crois, à la suite d'un euh, rapprochement, le président guinéen aussi qui a créé un poste de haut représentant il euh, l'a a confié à, un leader de l'opposition, un chef de parti politique tout de même. Mais il vous souviendra qu'au fort, au plus fort de la crise malienne, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali avait créé ce poste. Et là, on pourrait peut-être justifier cela parce que il faut au moins que le haut représentant puisse servir à quelque chose. Il représente le président de la République à quoi En quoi et c'est là la question fondamentale. Le haut représentant au Mali était haut représentant au niveau de la délégation gouvernementale du MNLA pour discuter avec euh, les sécessionnistes euh, du Nord. Donc en cela, c'était justifié. Mais pour le cas du Niger, les questions continuent à être posées. Il fallait évidemment comprendre l'opportunité d'un tel organe. Je crois qu'aujourd'hui, il entre parfaitement dans les prérogatives d'un président de la République. Euh, de pouvoir sinon de nommer euh, tout Nigérien dont il juge l'apport nécessaire aux emplois civils ou militaires. Il est d'ailleurs consacré par notre Constitution. La Constitution du Niger consacre à, son article 70 euh, ses prérogatives. Elle hein, dit qu'il entre euh, dans les prérogatives du président de nommer aux emplois publics euh, et militaires de l'État je pense effectivement que c'est dans cette euh, logique euh, que, dans l'interprétation euh, de, de cette disposition, que le président a voulu créer ce poste. Mais l'alinéa 3 de ce même article dit plus loin que il y a une loi qui détermine les fonctions auxquelles le président peut pouvoir par décret. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui il existe, à ma connaissance, une loi au Niger qui consacre euh, un haut représentant. Donc, la loi qui, fixe en fait les fonctions auxquelles le président peut pouvoir par euh, décret. Dans cette loi, nulle part, il n'est écrit euh, un poste de haut représentant. Fut-il, je ne sais pas, un leader de l'opposition. Est-ce que le haut représentant du président de la République peut être perçu comme le vice-président il faut être prudent dans ce qu'on peut euh, appeler vice-président parce que une vice-présidence, je pense, doit être consacrée par la loi fondamentale elle-même qui organise euh, des pouvoirs publics. Donc, c'est la Constitution qui peut prévoir euh, un vice-président. Dès lors que la Constitution ne l'a pas prévu, aujourd'hui, il n'est pas peut-être opportun de croire que c'est une vice-présidence, même si ça peut, même si la tentation est permise. Mais je crois plutôt qu'il s'agit là d'un poste d'un conseiller spécial euh, qui serait certainement amené à représenter euh, le président. Je ne sais pas dans quelle instance, mais c'est plutôt un poste de conseiller spécial, hein, en quelque sorte. Est-ce que le haut représentant du président de la République peut prendre certaines décisions qui peuvent influencer le pouvoir exécutif euh, Absolument. C'est là d'ailleurs que sa création suscite je pense, beaucoup, de, beaucoup de questions. Parce qu'on euh, se demande en réalité quelles sera exactement euh, euh, ses attributions, quelles seront ses attributions, quelle sera sa compétence et quelle est sa sphère de compétence et son domaine de, compétence. Et vous savez, en cela, je crois effectivement que il va, il est à craindre un certain nombre de conflits d'attributions, conflits d'attributions dans ce qui pourrait être euh, les, les, fonctions d'un Premier ministre, peut-être euh, et les fonctions du, haut représentant. Parce qu'un haut représentant, euh, il faut entendre par là beaucoup quand même de missions qui lui seront assignées. Des missions de représentation, des missions de délégation peut-être spéciales. Donc en cela, je trouve qu'il y aurait certainement, il faut attendre il y à craindre en fait des conflits d'attribution entre euh, les, fonctions d'un chef du gouvernement qui, lui, est son, d'un premier ministre, du gouvernement, qui sont prévues et encadrées par euh, la Constitution, et les fonctions, par ailleurs, du ministre aussi des Affaires étrangères, qui, euh, effectivement, dans ces cas de figure, peut être perçu comme étant aussi un haut représentant du président de la République au niveau euh, des chancelleries étrangères et au niveau des chancelleries étrangères et au niveau d'un certain nombre de pays. Donc, est-ce que ici le haut représentant n'est pas une sorte de secrétaire d'État euh, aux affaires euh, extérieures euh, Si c'est le cas, n'est-il pas peut-être aussi, est-ce qu'on peut se poser la question dans cette hypothèse de savoir s'il pourrait être légitime à représenter le président alors même qu'il n'est pas prévu par la Constitution. Ça, c'est justement la question importante qu'il faut poser. Parce que à, euh, défaut du président de la République, il y a le Premier ministre qui est l'organe constitutionnellement prévu et le ministre des Affaires étrangères qui lui aussi est prévu par la Constitution, qui est un organe, euh, carte politique mais prévue par la Constitution. Donc ce sont là des organes constitutionnels qui sont prévus et dont les attributions permettent aussi de représenter le président de la République. Donc euh, à coup sûr, je ne sais pas comment euh, l'organisation sera faite. Et euh, on attend de voir les textes qui consacrent son, organisation, son fonctionnement, ses attributions. Mais il est évident que vous savez, pour ma part, je, je pense que c'est juste une création folklorique en fait dans le but de satisfaire plutôt aux besoins d'une alliance politique et non réellement euh, aux besoins d'une organisation étatique. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de conflits d'attribution. Nous avons vu ici au Niger, à un moment, un Premier ministre qui préside le Conseil des ministres. Est-ce que de son côté, aujourd'hui, les hauts représentants du président de la République peut présider un Conseil des ministres il n'y a aucun texte fonctionnel qui le prévoit. Vous savez, les attributions du Premier ministre sont prévues par la Constitution. Et effectivement, la Constitution prévoit que par délégation du pouvoir, euh, le président de la République peut permettre au Premier ministre de présider un conseil euh, des ministres, ce qui n'est pas le cas du, du haut représentant. Et d'ailleurs, le haut représentant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'entre pas dans la catégorie des fonctions pour lesquels le président de la République peut pouvoir par décret pris en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il n'a pas euh, la même légitimité, euh, l'organe public, l'organe politique et constitutionnel qui est prévu que celui du Premier ministre. Et il ne peut pas avoir les mêmes pouvoirs parce qu'il euh, n'est à rien prévu par la Constitution. Je crois pour ma part que ici, ce n'est qu'un émissaire, hein. une sorte d'émissaire qui va certainement être amené à, discuter, à aller rencontrer certaines personnalités euh, à l'extérieur et au nom du chef de l'État, un émissaire qui va être euh, certainement amené euh, à, gérer quelques conflits dans lesquels le chef de l'État aurait pu être amené lui-même à, prendre des décisions. Une sorte de, chargé de mission, si vous voulez, je crois, hein. C'est une appellation peut-être chargé de mission, euh, mais à un degré beaucoup plus important. Parce que dès lors que ce n'est pas le cas, il est évident qu'il y aura des conflits d'attribution. Moi, les conflits d'attribution, je les trouve plutôt au niveau de l'exercice même de, sa mission. C'est-à-dire que est-ce qu'il serait amené à se substituer, sinon à neutraliser le ministre des Affaires étrangères pour lui-même s'intéresser à des questions internationales et étrangères pour lesquelles le ministre est normalement compétent Ou bien est-ce qu'il est amené en tant que haut représentant du président de la République à se substituer parfois à un chef du gouvernement pour euh, des questions d'organisation de l'action gouvernementale et je ne crois pas que ce soit le cas. Donc pour moi, euh, le haut commissaire actuellement n'est qu'un organe politique qui a été créé par le président de la République et qui entre dans les pouvoirs, en fait, les prérogatives du président de la République de créer quelques postes politiques pour euh, justement satisfaire à certaines alliances. Et je crois que c'est cela aussi. Il entre euh, justement dans cette catégorie d'organes politiques. C'était là Maître Amadou Adamou Bachirou, doctorant en droit public à l'Université de Toulon en France, relativement donc à la nomination hier de Seni Oumarou par le président de la République Issoufou Mahamadou comme son haut représentant. Toujours euh, par rapport à cette nomination de Seyni Oumarou, président du MNHD Nassara, au poste de haut représentant du président de la République, nous avons approché le constitutionniste nigérien Maine Karté, enseignant à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdelmoumouni de Niamey. Selon lui, cette nomination est l'une des prérogatives du président de la République. Il a été joint par téléphone euh, par euh, Tarnan Foudé Hamed. Le haut représentant du président de la République, c'est une personnalité que le président vient de créer. C'est inédit au Niger parce que ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas dans la Constitution, mais cela n'est pas un problème dans la mesure où c'est une pratique en vigueur euh, dans beaucoup de pays. Plusieurs chefs d'État à travers le monde ont eu à créé des très hautes personnalités à côté euh, d'eux, à l'effet d'accomplir un certain nombre de missions auprès euh, d'une organisation internationale relativement à un cycle de négociations, relativement à une crise politique dans le pays, dans la sous-région, ou sur le plan international. Donc, le haut représentant ici, c'est certainement des missions très très essentielles, peut-être très, très sensibles que le président va donner à cette haute personnalité qu'ils viennent de créer. Vous savez, il y a beaucoup d'institutions dans l'État qui ne sont pas constitutionnalisées, mais qui jouent un rôle de premier ordre. Pendant la Ve République, on s'en souvient, il y a eu ce qu'on appelle le Haut Conseil des collectivités territoriales. Actuellement, nous avons beaucoup d'institutions qui ne sont pas dans la Constitution. C'est le cas du médiateur de la République, qui était aussi créé par voie de décret. Aujourd'hui, il est consacré par la loi, mais pas encore dans la Constitution. Nous avons des institutions comme la Halcia qui sont créées juste par voie du décret. Nous avons surtout le CNDP dont la délibération fait autorité et qui est juste une institution créée par décret. Donc le fait de créer une institution ou une autre personnalité auprès du chef de l'État à l'effet d'accomplir un certain nombre de missions essentielles, ce n'est pas une entorse à la Constitution. Ce qui va constituer une entorse à la Constitution, c'est tant une institution qui est créée par voie de décret s'arroge des attributions dévolues déjà à des institutions constitutionnellement établies. Donc je pense que c'est sur ce point de vue qu'on peut euh, faire des remarques. Mais la création elle-même, ce n'est pas un problème. Certainement, il y aura un autre décret qui viendra préciser les attributions du haut représentant du président de la République et c'est en ce moment que nous serons tous situés sur la mission de cette personnalité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le haut représentant du président de la République peut influencer le pouvoir exécutif Tout dépend des attributions que le chef d'État va lui donner. Tout dépend du pouvoir, de la considération, mais surtout de la place que le chef de l'exécutif va nous donner. Une institution comme le haut euh, représentant du président de la République a une force euh, qui est limitée, qui vaut ce que le président a bien voulu concéder. Donc, euh, il est très tôt de dire qu'elle peut influencer parce qu'on ne connaît pas les attributions exactes et on ne connaît pas les dossiers dans lesquels le haut représentant sera impliqué. On ne sait pas les missions qui lui seront données. Donc, pour l'instant, euh, tout dépend des attributions réglementaires, mais aussi tout dépend de la marque personnelle de cette personnalité-là, c'est-à-dire la manière avec laquelle elle va conduire les missions jugées essentielles, jugées sensibles par le chef de l'État. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de penser à un amalgame de rôles. Le haut représentant, je ne pense pas un instant à un vice-président ni à un premier ministre bis, parce que Là, un vice-président, il faut qu'il ça de façon formelle dans la loi fondamentale. Ce n'est pas consacré dans ce pays. Et un vice-ministre, ce n'est pas possible. Et maintenant, les attributions du Premier ministre, par exemple, sont clairement définies dans la Constitution. Je ne vois pas comment le haut représentant va, par exemple, assumer ce genre de fonction. Donc, la question de l'influence de l'exécutif, je pense que ça, c'est une appréciation que nous allons faire après. Je ne pense pas que euh, le haut représentant soit une institution, une personnalité qui va euh, exercer les fonctions du gouvernemental je pense qu'il faut attendre un peu les attributions et la manière dont ces attributions seront exercées. Est-ce que le haut représentant, quelque part, euh, n'aura-t-il pas des fonctions comme euh, celle d'un ministre des Affaires étrangères Non, ça, ça dépend. Vous savez, les ministères, même eux, dans la Constitution, on n'a pas dit qu'il faut faire 15 ministères, il faut faire 10, il faut faire 50. Il y a un certain nombre de ministères qui ont été faits et c'est conformément aux différentes missions et aux différents défis de notre État. Alors, ces ministères-là, ils ont leurs prérogatives à déterminer dans les décrets qui les organisent. Alors, un décret viendra aussi organiser les attributions du haut représentant, du chef de l'État. Je pense qu'il n'y aura pas un amalgame de rôle. Les rôles seront certainement dits en des termes vagues. Le président peut euh, demander des missions à son haut représentant dans le domaine de la diplomatie, par exemple, dans le domaine euh, commercial, le domaine industriel, certaines négociations par rapport aux ressources extractives, etc., etc. Il peut être impliqué dans la résolution de certaines crises euh, au niveau national, certaines tensions au niveau national, certains aspects sécuritaires. Ça peut aussi être dans la sous-région, ça peut être sur le plan international. Donc, je pense que va faire un travail qui n'est pas fondamentalement dévolu à un ministre quelconque. Et même si c'est dévolu à un ministre, il n'est pas exclu que le président, qui a un pouvoir discrétionnaire, donne des missions ponctuelles aux hauts représentants. On l'a vu, par exemple, dans le cadre des questions des négociations sur l'uranium, c'était le directeur de cabinet qui avait euh, dirigé, comme de même il y avait un ministre à des ça avait été dénoncé par la presse à l'époque. C'est un exemple que je donne. Donc, de la même manière, maintenant, le président peut impliquer son haut représentant dans certaines négociations connues ou inconnues dans certains dossiers brûlants ou bien dans bien d'autres négociations ou bien dans bien d'autres problèmes connus ou bien supposés. Tout dépend ici, c'est une personnalité dont la force, l'influence vont dépendre de ce que le chef de l'État va vouloir. Beaucoup de Nigériens pensent que cette nomination, elle est faite pour satisfaire une alliance politique. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces gens-là Mais bien sûr, c'est une nomination qui intervient dans le cadre d'une nouvelle alliance. C'est la principale la coalition au pouvoir a donc entrepris des négociations qui vont euh, aboutir, abouti euh, ce pas, à l'arrivée du MNCD dans la coalition au pouvoir. Et certainement, euh, quand on quitte l'opposition pour n'est-ce pas, gérer le pays avec la mouvance qui gouvernement, on change de statut, on change de mission, et bien entendu, il faut des missions bien déterminées. C'est ce qu'on a donné dans le cadre du remaniement ministériel d'avant-hier. Et bien entendu, même au niveau de l'administration, le MLC va avoir d'autres choses. Et maintenant, bon, son président M. Senou Malou, qui était pressenti pendant longtemps comme Premier ministre, comme président de l'Assemblée nationale, va occuper une fonction qui n'a jamais été euh, euh, consacrée au Niger. Donc certainement, c'est une manière d'attribuer une place honorifique au leader du MLCD. Certainement qu'on va très mal dans un gouvernement, ou bien qui n'entend pas venir euh, juste euh, comme euh, un ministre, je ne sais pas, d'État, certainement, différents postes ministériels, et aussi cette place réservée à M. Sénou certainement, c'est dans le cadre des négociations, dans la limite peut-être de ce que le MLCD a voulu. On ne sait jamais, peut-être ce parti-là ne veut pas s'impliquer trop trop dans la gestion du pouvoir, il veut, en changeant de statut, juste participer à la gouvernance mais pas dans les aspects fondamentaux. Certainement, ici, le MLCD peut-être a, demandé ça. Et je pense que dans ce genre de choses-là, il ne faut pas dire que bon, le MLCD a eu beaucoup ou bien il n'a pas eu beaucoup. Tout dépend de la manière dont les négociations ont été faites. Tout dépend de la manière, euh, tout dépend des objectifs que les deux parties se sont euh, fixés. Et tout dépend de là, de là où on va. C'est ça qui détermine des différentes missions qui ont été euh, reparties au niveau donc du nouveau parti qui vient de l'alliance de MNSD. Beaucoup pensent que le président de la République est aujourd'hui entouré par un nombre assez important de conseillers et de chargés des missions et qu'aujourd'hui il n'a pas besoin d'un haut représentant. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces gens-là Oui, je suis d'avis d'abord euh, la taille du gouvernement que je trouve euh, et le président de la République, M. Soufou Mamadou, a euh, raté l'occasion de convaincre pour une dernière fois peut-être les Nigériens par euh, tout simplement la taille de son gouvernement. Si Monsieur le Président de la République avait fait un gouvernement de 30 membres, je suis certain que tous les Nigériens allaient applaudir parce que le véritable signal en ce qui concerne la bonne gouvernance administrative, économique, politique, c'est la réduction de la taille du gouvernement, relativement donc au gouvernement de cet État. Donc le Président aurait dû faire un gouvernement de 30 membres, vraiment, où il va prévaloir la mais là, on voit toujours un gouvernement politique avec une taille aussi impressionnante que celle euh, du premier gouvernement. Donc sur ce plan, vraiment, c'est un échec, ce n'est pas bien. On aurait dû faire comme les autres pays, le Bénin, le Cap Vert, euh, bien d'autres États qui ont réduit la taille du gouvernement. Merci beaucoup, M. Mena. Ah, je vous en prie. C'était là le constitutionnaliste nigérien Maïna Karté Boukara, enseignant à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdoumoumouni de Niamey. À présent, voyons le contenu de ce même décret euh, numéro 2016-570 par PRN du 18 octobre 2016, déterminant euh, les missions du haut représentant du président de la République et portant organisation et de ces services. Article 1er, le haut représentant du président de la République est chargé euh, de l'exécution des missions de représentation du président de la République tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. La conduite et la gestion des projets à caractère politique, économique et ou social à lui confiés par le président de la République. Article 2, le haut représentant du président de la République occupe la cinquième position dans l'ordre du protocole de l'État. Autre aspect de ce forum, euh, la composition du nouveau gouvernement a suscité le commentaire euh, du président des jeunes PNDS Taraya de la région de Niamey. Monsieur Manzo Adamou estime que ce gouvernement a de larges ouvertures euh, composé de cadres compétents qui sera à même de relever le défi. Écoutons-le, il, est il est joint au téléphone ce matin par Abdoulaye Mamoudou. Monsieur Monzo, on constate que c'est un gouvernement de 42 membres. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire Oui, c'est un gouvernement de 42 membres. C'est le gouvernement précédent était aussi de 42 membres. Donc euh, le, président de la République et le Premier ministre ont formé un gouvernement de large ouverture. Et quand on dit large ouverture, c'est d'autres qu'il faut. C'est un gouvernement qui doit comprendre l'essentiel des couches socio-professionnelles et politiques du pays. Et donc, euh, on ne peut pas exclure certains et mettre d'autres. Quoi. Donc, euh, tous ceux qui sont disposés à venir travailler pour le pays, on doit les associer à la, la, gestion du pays. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est allé jusqu'à 42 membres. les femmes ne sont pas aussi nombreuses euh, que le prévoit la règle des 25 oui, c'est vrai que le nombre de femmes n'est pas euh, à la hauteur du quota qui devrait euh, le revenir normalement, mais c'est une question de contingence et ça va se régler prochainement. Prochainement, ça veut dire ça veut dire au, à, la, à la formation du prochain gouvernement. Donc, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Ah oui, parce qu'il va y avoir euh, la formation d'un nouveau gouvernement mais il y a eu un premier gouvernement, il y a eu un deuxième gouvernement. Certainement, ce n'est pas, ça ne sera pas le dernier gouvernement. Il y aura d'autres gouvernements. Il y aura des retouches euh, plus tard, Monsieur Monzo, certains ont estimé que la formation de ce gouvernement avait pris du temps, beaucoup de temps. Preuve, selon eux, de difficultés. Non, ce n'est pas de difficultés. Il fallait mettre une équipe et les consultations il y a l'enquête de moralité qui devrait être faite sur les personnalités qui devraient être nommées. Donc c'est les raisons pour lesquelles euh, ça a pris du temps. Ce n'est pas encore le gouvernement d'union nationale puisque le parti Lumana reste euh, dans l'opposition. Oui, euh, le parti Lumana a décidé de rester dans l'opposition. C'est un choix et nous respectons le choix du, parti Lumana de rester à l'opposition. Mais il faut constater que l'essentiel de la classe politique nigérienne euh, est dans ce gouvernement et la majorité est élargie, la base sociale du, régime aussi s'est élargie. Elle était déjà, déjà assez élargie et maintenant avec l'arrivée du MNSD, elle s'est élargie davantage. Monsieur Monzo, selon vous, quels sont les défis qu'aura à relever ce gouvernement Les défis d'abord, c'est les défis sécuritaires c'est la lutte contre le terrorisme et la criminalité qui, menace notre pays. Et ce sera essentiellement le plus grand défi auquel ce gouvernement doit faire face. Ensuite, il y a certainement les questions économiques et, et, et, l'école qui sont là. Les problèmes de l'école qu'il faut résoudre. Quelle sera sa première tâche Bon, comme je dis, sa première tâche, c'est d'abord le défi sécuritaire, comme vous le constatez les menaces euh, euh, terroristes se font de plus en plus pressantes sur notre pays. Et donc le gouvernement doit d'abord travailler à sécuriser notre pays parce que sans la paix, rien n'est possible. Oui, dernière question, Monsieur Monzo. Êtes-vous confiant par rapport à ce nouveau gouvernement Je suis très confiant parce que le gouvernement est composé d'hommes et de femmes de grandes compétences, de grande probité morale et intellectuelle. Donc, euh, des hommes et des femmes à la hauteur du défi qui attend notre pays et notre peuple. Je suis convaincu que ce gouvernement relèvera les défis auxquels notre pays est confronté. Bien, merci M. Monzo, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup, merci Abdoulaye. C'était là en Monzo Adamou et le président des jeunes du PENDES Taria de la région en main. La formation du nouveau gouvernement d'union nationale est diversement appréciée au sein du mouvement national pour la société de développement euh, qui vient de rejoindre la mouvance présidentielle. Selon Tamboura Issoufou, un des responsables du parti qui ont contesté ce ralliement, le MNHD Nassara a été ridiculisé à travers euh, les postes qui lui ont été attribués. La réaction de Tamboura Issoufou, secrétaire à la communication du MNHD au micro de Moussa Hassan. Il n'est un secret pour personne et cela devient de plus en plus clair et net que c'était une démarche biaisée, une démarche euh, contraire aux idéaux du MNSD, une démarche contraire à la volonté des militantes et militants du MNSD, contraire à son passé et contraire à ses nobles idéaux. Cela a avancé, vous savez, ça fait près de deux mois, le 13 août, suite euh, à une procédure ridicule de vote, le bureau politique du MNSD, avec 144 voix contre 4, a rejoint le pouvoir. Il faut dire qu'il a fallu trois heures seulement entre l'information et la prise de décision. Donc ça veut dire que ça a été minement préparé souterrainement par le président Seini. Et lorsqu'il l'a amené, les gens ont parlé de beaucoup de, corruption diverse des membres du bureau politique et une question aussi importante pour un grand parti a été banalisée, instrumentalisée par un homme. Depuis le 13 août 2016, le MNSD a officiellement fait sa déclaration par une déclaration de presse pour annoncer à l'opinion publique nationale et internationale qu'elle rejoint le pouvoir d'Issoufou Mahamadou. Et depuis lors, on ne parlait que de poste. Pendant deux mois, au sein du MNSD, on ne parlait que de poste de poste de ministre, de poste de DG, de poste de gouverneur, de poste de président de l'Assemblée nationale, etc., etc. C'est-à-dire, la direction du MNSD et les militants ne parlaient que de poste. Ils ont oublié le Niger, avec tous les événements qui ont eu lieu. Ils ont même oublié le parti. Il y a eu même une deuxième déclaration. Ils ne pouvaient plus attendre. On les a traînés pendant deux mois et Issoufou a bien dû donc donner les quelques six strapontins au MNSD, à la composition du gouvernement. Nous sommes secrétaires à la communication, nous avons été beaucoup appelés par les gens, des gens comme ça qui ont dit mais bon, mais ils n'ont pas senti que le MNSD rentrait dans le gouvernement. Parce que d'un, c'était des strapontins, un parti aussi lourd que le MNSD ne peut pas se contenter de strapontins. Et de deux, ils ont le droit de le penser. Les individus que Seini a désignés puisque c'est lui qui les a désignés, étaient des élus inconnus de l'opinion publique. Donc ils n'ont pas senti que le MNSD est rentré. Vous voyez bien le gouvernement, les caciques du PND sont posés. On sait qu'ils sont là, ils veillent au grain. Donc on a donné des strapontins au MNSD Nassara. Et cela d'autant plus que dans certains ministères, les promus du MNSD ne vont jouer que de la figuration le président du parti a été élevé au rang de représentant du président de la République. Vous confirmez qu'il n'y avait que des propos de poste. En ce qui concerne le président, il y a des rumeurs qui ont couru, je suis sûr, parce que beaucoup de journalistes ont entendu. On a parlé d'achat de conscience. De la même manière que en 2013-2014, Issoufou a procédé à l'achat de conscience de certains députés du MNSN. Donc même cette fois-ci, on a parlé d'achat de conscience. Et nous sommes en train, en tout cas par les moyens que nous avons, nous sommes en train d'enquêter. Et le jour que nous aurons des éléments, ne vous en faites pas, nous vous tiendrons informés parce que ce n'est pas normal que dans un parti qui œuvre pour le bien-être de tous les citoyens, que la corruption s'installe. Parce que si la corruption s'installe dans un parti, mais quand ce parti va au pouvoir, donc la corruption sera appliquée au pays, multipliée à l'exponentielle. Vous voyez, c'est ça pour la démarche. Ça a été une très mauvaise démarche, une démarche viciée, une démarche d'un homme solitaire, mais ça va s'arrêter. Il a été élevé au rang de haut représentant. Personne ne sait ce que ça veut dire. Hier, dans la nuit, ses affidés disaient qu'il est vice-président. Vice-président nommé par décret. C'est triste. Surtout, la faire-fauture qu'il vient de faire pouvait s'arrêter là. Mais il a ridiculisé le MNSD. Le MNSD a des gens très instruits et le pendes le sait. Donc le MNSD est devenu la risée nationale aujourd'hui. Et les militants convaincus du MNZ, Il y a longtemps qu'ils avaient honte. La direction du MNZ est en train de tirer le MNZ vers les points les plus bas possibles. Mais comme le MNZ l'a toujours fait, de suivre la voie de la vérité. Cela veut dire que les jours futurs les militants du MNSD, les vrais, parce que même dans le gouvernement, c'était des gens inconnus qui ont fait plusieurs parties on les connaît, on connaît leur itinéraire. Donc, les vrais, vrais militants fidèles qui sont MNSD pour contribuer la nation nigérienne, de rester serein, tranquille, de rester dans leur parti, mais ils ne sont pas obligés de soutenir un régime qui est en train de détruire le pays, un régime qui est en train de piller les ressources du pays, ils ne sont pas obligés, même si leur direction est partie. Et c'est ça, suivre la vérité. Deuxième, de demander aux militants du MNSD, lorsque que toute organisation qui organise des actions salvatrices pour le Niger, des actions de vérité, de les soutenir. Parce que notre objectif, c'est le Niger. C'est pas de poste de quelques individus fut-il le président du MNSD. Et je le rappelle qu'en 1995, à l'issue des élections anticipées où le MNSD est venu au pouvoir avec le PNDS, J'étais à Zender comme directeur départemental. Le MNSD a eu le poste de Premier ministre. Une délégation des responsables du MNSD de Zender était venue à Niamey pour demander au président Tandja de prendre le poste de Premier ministre. Le président leur a dit non. Quand on a une organisation, chacun à sa place. Lui, il est président du parti. Il est là pour convoiter le poste de président. Mais vous avez un secteur général dynamique que vous reconnaissez tous, c'est à lui de jouer ce rôle. Tangia n'a pas bondi sur le poste de Premier ministre. Il a mis Hamma et tout le monde sait que ça a donné. Et tout le monde sait que Tangia, puisqu'il s'est affiché pour diriger ce pays, n'a jamais cherché à occuper des postes subalternes. Et après la gouvernance du MNSD de 10 ans, aujourd'hui, après 5 ans, après tout ce qui s'est passé, tous les Nigériens reconnaissent qu'il y a eu un pouvoir qui a bâti ce pays, le pouvoir du MNSD. Mais hélas, ça a été trahi. Et je demande aux responsables du bureau politique de se ressaisir. Sinon, c'est la politique de la terre brûlée. Je vous remercie, M. Tamboura. C'était la Tamboura Issoufou, secrétaire de la communication du MNSD Nassara, l'un des responsables euh, du parti qui a vivement contesté le ralliement du parti à la mouvance euh, présidentielle. Toute autre chose à présent dans ce forum, la construction d'un mémorial à Ouagadougou en hommage à l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et en projet 29 ans après sa mort, le combat et les idées de ce chef d'État révolutionnaire continuent encore d'influencer beaucoup d'acteurs à travers l'Afrique. Le coordonnateur du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, euh, président du comité national de collecte de fonds à un appel à la mobilisation de tous les Nigériens. On l'écoute. Abdoulaye Seydou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Vous êtes euh, le coordinateur du REPAD. Où en sommes-nous en ce qui concerne la mobilisation des fonds euh, pour euh, la construction des mémorial à l'honneur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara Par le REPAD qui véritablement pilote l'initiative, vous avez plusieurs autres structures, c'est notamment l'Union des scolaires nigériennes à travers le comité directeur de l'ISN, mais aussi toutes les sections de l'ISN. C'est aussi la Commission nationale des droits humains, dont le président a accepté d'être le parrain au niveau national. Et aujourd'hui, sur le compte bancaire qui va être créé, au-delà, donc, euh, vous avez jusqu'à quatre signatures, y compris donc le président de la Commission nationale des droits humains que le parrain pour véritablement donner la certitude que cet argent mobilisé va aller à l'endroit indiqué. Vous avez le Semco Taxi, les taximans qui sont fortement mobilisés, n'est-ce pas Vous avez aussi d'autres structures de la société civile, notamment réseau des jeunes, le réseau des jeunes républicain, la jeunesse active du Niger, le mouvement nationaliste nigérien et beaucoup d'autres structures hein, qui véritablement adhèrent à cette initiative euh, du REPAN. Est-ce que c'est au Niger seulement que la mobilisation de fonds est lancée ou bien c'est lancée euh, à travers euh, d'autres pays en Afrique La mobilisation, d'abord au plan international, a été lancée le 2 octobre passé à Ouagadougou sous le parrainage de l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. À partir de cet instant-là, les délégation nationale avait pour mission de développer les initiatives en tenant compte des contextes nationaux pour aussi mobiliser parce que le mémorial doit être un patrimoine du peuple africain et c'est au peuple africain donc de le financer. À partir de ça, nous, le 15 octobre, nous avions lancé parallèlement aussi au niveau du Burkina Faso, au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, des initiatives ont été développées dans ce sens. Et aujourd'hui, vous avez le Mali, le Bénin, le Togo, qui dans la même semaine, dans le 20 octobre passé, coïncidant avec la date anniversaire aussi de l'assassinat d'un des autres dignes fils de l'Afrique, Kadhafi, donc ont lancé aussi leur initiative par rapport à ça. Donc c'est une initiative qui est lancée au-delà d'Afrique, même en Europe, le 15 octobre passé, il y a des initiatives initiatives qui ont été développées en France, en Allemagne, à Bruxelles pour véritablement informer et rappeler les Africains de ce lourd fardeau et de ces défis qui reposent sur leurs épaules, c'est celle de réhabiliter la mémoire de Sankara qui véritablement est l'un des derniers dirigeants à avoir sacrifié sa vie pour défendre l'Afrique, pour défendre les valeurs panafricaines qui sont les seules voies pour que véritablement l'Afrique puisse se développer en jouissant de tout ce qu'elle a comme potentialité, notamment ses ressources naturelles et aussi ses ressources humaines. C'était là Abdoulaye Seydou, coordonnateur euh, du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, et également président du comité national de collecte des fonds pour la construction d'un mémorial en l'honneur à l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Au Niger, la campagne de mobilisation des fonds a été officiellement lancée le samedi 15 octobre dernier à l'université Abdoumouni de Niamey pour l'acteur de la société civile Ibrahim Diori, l'ancien président burkinabé Thomas Sankara représente tout un symbole pour lui. Ibrahim Diouikir représente pour vous Thomas Sankara. En quelques mots, je dis euh, Sankara représente euh, pour moi un symbole. Le symbole, euh, par exemple, de l'Afrique fière, qui rêve, qui aspire à sa dignité. Et il doit être Sankara, le modèle pour toute la jeunesse africaine. Et j'ai l'habitude de dire que Sankara est pour l'Afrique ce qu'est l'artère pour l'être humain. Ça irrigue tout le corps et ça ça le vivifie. Et aujourd'hui, tout indique, au regard de tous les événements aujourd'hui qui se célèbrent de par le monde, y compris en dehors du continent africain, sur la pertinence, sur l'efficacité et la clairvoyance de la vision Sankara. Et je pense que Sankara, en tant que vision, pas en tant que personne physique, doit habiter le cœur de tous les Africains, surtout dans un tel contexte où nous avons à la tête pratiquement de l'essentiel des États africains des petits commis. Ces petits commis, l'arbin et quelques petits ambassadeurs occidentaux sur nos territoires, il aura fallu qu'ils soient là pour permettre de comprendre l'importance et la pertinence de toute la vision de Sankara et la nécessité de pouvoir s'en inspirer et de tourner radicalement le dos à ce qui fait aujourd'hui la misère de l'Afrique parce qu'il y a une pensée toute faite qui est là. Elle n'attend qu'à être appropriée par la jeunesse africaine et à trouver un terrain d'application. Et je pense que Sankara a vécu peut-être plus tôt que prévu. Il a tenu un discours incompris de son époque, mais aujourd'hui, à l'image de vous, le discours de Sankara, c'est un reportage d'actualité. Lire le discours de Sankara, ses écrits, c'est comme un article, c'est un historien de notre temps. Il interprète l'actualité. Et aujourd'hui, n'importe quelle phrase dans les différents discours de Sankara, dans les ouvrages qui leur rapporté, traduit avec éloquence la réalité que nous sommes en train de vivre, presque deux décennies après, n'est-ce pas Sinon, environ trois. Et je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui d'en parler. Aux premières heures, justement, des programmes d'ajustement structurel qui, aujourd'hui, ont apporté la preuve de leur échec, y compris dans les murs des institutions de Bretton Woods qui les vendait avant. On finit par produire des témoignages pour dire que, en fait, le programme d'ajustement structurel et tous ces répondants constituent un véritable échec, constituent une véritable trahison de la fierté de l'humanité et de la valeur de l'humanité en tant que telle, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il constitue une véritable lampe. Surtout dans ce contexte où, en fait, la jeunesse est relativement perdue, manque de repères, parce que au niveau de l'existant, il n'y a personne qui offre le langage des rêves. Or, l'humanité évolue d'abord en s'alimentant de l'énergie née des rêves, née de l'idéal. Et je pense que l'idéal est dans ce qu'il propose à la jeunesse. Il faudrait qu'elle s'en inspire, que nous inspirions et que nous nous l'approprions, non pas simplement en tant que discours, comme dit l'autre, théorie sans pratique est vide de sens, pratique sans théorie est aveugle. Les deux font la lumière et les deux font pertinence et donnent toute la quintessence et toute la signification à l'existence de l'humanité. Et je pense que ça vient à peu à point nommé de pouvoir revisiter encore ce grand homme euh, africain, ce grand homme euh, en fait qui indique ce qu'est la dignité humaine et son discours en dit suffisamment long. C'est l'occasion d'en partager avec les étudiants. Et je pense que Sankara, Sankara ne doit pas être un phénomène scolaire. Sankara ne doit pas être un phénomène simplement de la place Amadou Boubacar, un phénomène d'étudiant. Sankara doit être d'abord regardez bien à cette place. Qu'est-ce que vous constatez Aucun homme politique. Tout le discours de Sankara, justement, c'est de dire ce que doit être la politique africaine. Mais il est célébré au niveau des scolaires. Et ça rend compte, justement, de tous les gaps. Parce que s'absenter, ne pas prendre part à un tel événement, c'est aussi une prise de position, c'est aussi un message. Et ce message doit nous appeler, mais pas nous dérouter en tant que citoyens, pas nous dérouter en tant qu'Africains, nous nous permettre de mesurer l'importance du défi qu'il y a en face de nous et que cette jeunesse, je l'espère, mesure ce que ça signifie et se traduise en actes concrets dans le comportement des uns et des autres. Et je pense qu'en tirant logiquement et effectivement toutes les conséquences, ça permettra à l'Afrique de pouvoir encore vivre. Je continue à croire à l'image justement de tous les contemporains et de tous ceux qui partagent la vie vision de Sankara que l'humanité toute entière, donc Afrique y compris, n'a jamais connu un problème qu'elle ne peut pas résoudre. Et parce que nous l'avons, nous devons avoir la réponse. Et ça existe justement. Mais ça ne doit pas venir d'ailleurs, ça doit venir de nous. Acteurs de la société civile, acteurs des médias, citoyens tout simplement, de nous mobiliser et de dire que ce n'est pas le chemin qui est difficile, comme dit l'autre, c'est le difficile même qui est le chemin. Et comme on le dit, la moelle la plus douce se trouve dans l'os le plus dur. Et je nous invite à briser l'os dur pour nous savourer de cette moyenne douce qui est à l'intérieur et à notre porte. Ibrahim vous remercie. C'était euh, l'acteur de la société civile Ibrahim Gyori, relativement donc au combat et l'idéal euh, de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.